Ah, fini ñu jëm je dis des fois en farçant que pour le moment le PTS 100 jours dafa bëriwul 107 jours bëriwul. 100 jours 100 maintenant 107 léegi ëpp na 107. 100 ñoom 100 lañ def ah, ci juróom-ñaar. acca eh, xam naa ko ci pour le moment le PTS nous au carrefour après nous ko expliquer au carrefour. au carrefour au carrefour des 40 des 54 hein? du pouvoir et des 46 ou 44 de l'opposition pourquoi je le dis. Hein. à 100 jours il est très il est très tôt véritablement de faire un jugement yi bu fekkente ni y ngi un sa bët ci référendum bi xam 54 de cent am effort de am dañu am euh, espoir bu réer réer investir ko ay nit yéen ñëpp ngeen indi woon seen programme ñu ne leen seen programme ñu ci mais wax dëgg yàlla nag ñooñu nga xamni ñom le peuple bi tek fi nañ leen may tuuti ñu doxal bala ñuy wax dara je veux dire ceci que xam amna ci ay points yi nga gis ni ay point fort la ci 100 jours yi amna ci ay points yi faiblesse la ak mais je dis il est très tôt de faire un jugement global sur ce que ce nouveau régime-là investit du pouvoir référendaire, référendaire de, du, du peuple-là. Hmm. Donc maintenant, si nous wax man en tant qu'acteur et vice-président du parti, hmm. n'est-ce pas, nous, sommes parti, nous allons juger euh, ces 100 jours-là, nous avons une position, hmm. mais en tout cas aussi,

de parti Teranga Sénégal dafa femmes transparence transparence De dafa de femmes am femmes am femmes dignité n'est-ce pas am liberté du ma dugg liberté dafa am dignité liberté transparence Femme ma n'est qu'un honneur liberté justice donc xam nga dama vous néeg rek pour ci hmm. transparence ce volonté aujourd'hui pour assainir véritablement euh, jël rapport par exemple yi fi que hmm. que la chasse aux sorcières rapport pour xam dernier public que nga xam des ko aussi cette volonté là pour démocratiser la gestion des terres aujourd'hui il est inconcevable qu'une poignée de Sénégalais mhm. puissent avoir entre leurs mains des centaines d'hectares bah, et des milliers de, de parcelles. ko fenn mhm. donc l'occupation de ñu occupation ba aussi en tant qu'acteur électoral c'est-à-dire que la volonté politique affichée pour démocratiser le jeu électoral parce que là c'est important la rationalisation des partis politiques bi agité le financement des partis politiques bi nga agité n'est-ce pas ils ont nommé quelqu'un de très brillant euh, le DFC euh, Sen, Sène Sen, la direction des journal des élections nest pas j'ai bien aimé ça parce qu'il pouvait dire il était dans le pouvoir ceci mais ils savent que c'est quelqu'un de compétent mm. il a une idée pour qui élections donc manque de volonté politique à monaco parce que au Sénégal on n'a pas un problème de texte à l'élection, on a un problème d'hommes et de volonté politique. Nous que je ni vers les jours qui vont venir. nous hmm. gën a pour gérer la gestion des élections pour mu gën démocratie. parce que nous dafa am ont fait jaar fu metti ci parrainage bi ci côté côté donc yooyu buñ ci ànd ak hmm. ñu je pense que am solo lool vous hmm. donc l'amélioration de la démocratie électorale. les les les audits à clarifier à que vraiment la démocratisation de la gestion et de l'occupation des terres. Pas uniquement pour Sénégalais mais pour les sociétés étrangères. Il y a un ñu fi jël dama ko dund. Mhm. qui est une commune qui est plus vaste que la région de Dakar. Mhm. il y a il y a euh, hectares une ñu société. 21 mhm. hectares nous sommes ko sociétés sont là-bas il y ressources transformées. transformées euh, les les les les en ouvrier agricole. Hmm. et je me réjouis le le le ministre de l'agriculture Defna descente. Hmm. Hmm. je pense que véritablement amélioration. est ce que euh, djomay pas égal Macky Sall c'est pas égal à dans la mesure où parce que dans euh, publication de rapport Bab directeur général de la rs mu ngi le procureur de la république pour ce 45 rapport OFNAC yi def. Mm-hmm. defuñ épingler nit ñi rek tek ko ci tiroir bi mais dañ ci wax. je ne pense pas je pense que la plus grosse erreur. oui bu ce régime là nga xamni c'est un régime antisystème. régime antisystème. Hmm? antisystème anti mën a def moy def li gars doon def gis nga bu ñu defee li gars doon def. peuple bi def len les ah bon ce peuple là ce peuple là il est plus mûr que ñun politiciens il faut nous xam ko i dañ ñu dég ñu dégg ils ont tout intérêt à le li nga xam régime de da ko doon def ba tax ñu jëlee leen fi ñu def le contraire et man gëm ni ils sont assez intelligents c'est des jeunes qui sont très brillants n'est-ce pas euh, am expertise xam si li leen

nomination yeeg yoyu il hmm. ah, y' a y' a des choses hein yi nga xam ñu ngi ci buñ ci xuusee c'est des erreurs dañ ko war arrêter rapidement. Hmm. ci lolu parce que dañ ko fi daan xeex. donc yoyu vraiment ces trucs euh, népotisme bobu hmm. clanique koku dañ ko wara a xeex ko fële dès lors vrai ils veulent changer le système le système c'est les hommes dañu bëgg changer presque tous lépp lañu bëgg changer def ci ñeneen mais lool aussi nañ ci def nank par rapport à ça ba bañu def erreur yi mais je pense que ils ont la volonté de le faire et ils sont assez intelligents hmm. ba xam nañu bu baaxa baaxa baax la clé de leur succès té def na sa clé succès doo ko ça doo ko sànni a yaakaar boobu la am ci. beneen bi mu tax lu top politiciens Sénégal duñ am dans la mesure bu nekk ci opposition bi jigee après dem ci parti pouvoir changer ko appel à candidature ba légui parce que Demba Ndiaye mu nekkoon conseil des ministres.